le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.estudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Situation des migrants subsahariens en Libye rôle et responsabilité des acteurs. Le Niger a enregistré entre 2012 et 2017 d'importants mouvements migratoires. Auparavant, le phénomène s'est limité essentiellement aux immigrés provenant des pays de la CDAO et de certains pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, il s'est élargi à d'autres ressortissants de pays lointains et même ceux d'autres continents à cause sûrement des conflits armés qui n'ont que trop duré en Libye, au Mali au Nigeria, etc. des préoccupation majeure liée aux migrations internationales réside sans doute dans le cortège de drames humains qu'elle engendre, à côté des crimes liés au trafic et de traite esclavagiste de migrants, on constate de plus en plus des pertes en vies humaines dans le désert et en mer. Au regard du droit international, la gestion des flux migratoires doit pouvoir concilier deux exigences fondamentales. Le droit des États à régler les déplacements des migrants à l'intérieur de leurs frontières et le respect des engagements internationaux souscrits par l'État en termes de droits humains. Cependant, les deux exigences ne sont pas contradictoires. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre la situation des migrants nigériens en Libye, le droit et les devoirs de ces migrants, mais aussi les rôles et les responsabilités des différents intervenants. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir euh, Dr Amadou Adamou Bachir, avocat au barreau de Montpellier en France. Docteur Amadou Adamou Bachir, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara de l'association Alternative Espace Citoyen. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Sanoussi, activiste. Mohamed Sanoussi, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Amadou Adam Bachir, les migrants en situation irrégulière ont-ils des droits et des devoirs Merci de m'avoir reçu. Donc effectivement, les migrants euh, en situation irrégulière, ce sont avant tout des personnes. Donc, c'est dire que dès qu'on parle d'une personne, on sait tous les droits qui sont euh, attachés au respect d'abord de la dignité humaine et de la dignité de la personne. Donc, avant de connaître leur situation, la situation de leur régularité ou pas, ce n'est qu'une situation administrative qui est définie souvent, justement par une politique euh, souveraine des États. Mais toujours est-il que l'être humain, aujourd'hui, je pense qu'à l'ère de la mondialisation, le monde, j'allais dire, est devenu aujourd'hui un village planétaire. Donc, de ce fait, l'être humain, dans même l'histoire circulaire des humains, j'allais dire, il est même naturellement tenu à librement circuler. Donc, aujourd'hui, du fait justement de certains mouvements, euh, nous avons remarqué d'abord un certain traitement donc, qui affecte directement la dignité de ces migrants-là. La situation régulière, je le disais tantôt, c'est une situation administrative qui doit pouvoir s'accorder d'abord du respect de la dignité de la personne humaine et du respect de certains droits, les droits les plus élémentaires qui sont des droits fondamentaux de cette personne, et qui sont relatifs à la dignité humaine. D'abord, avoir droit à un traitement correct, droit au respect de sa dignité, au respect de sa vie privée, au respect de sa vie tout court. Et aujourd'hui, les migrants en situation irrégulière sont malheureusement, à l'épreuve, j'allais dire, de la pratique, sont devenus des proies. Donc des proies pour certains bourreaux parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés à toute forme d'affliction. Donc, ils sont euh, exposés aussi à toute forme de trafic. Aujourd'hui, ils sont à la merci de certains réseaux de trafiquants. De ces faits, effectivement, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question si, et je pense que c'est là que votre question a tout son sens, si ces migrants-là ont des droits. Ils ont véritablement certains droits qu'il faut à tout prix préserver. C'est d'abord tous les droits qui sont relatifs à leur dignité humaine. Docteur Amadou Adamou Bachir, est-ce que ces migrants ont également des devoirs Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord situer la définition des migrants. Ces migrants, pourquoi ils se déplacent Pour quel but Pour quel objectif Les migrants, aujourd'hui, dans la plupart des cas, je pense que sont dans une quête de survie. Et dans cette quête de survie, aujourd'hui, ils sont euh, d'abord très affaiblis pour pouvoir penser que ces migrants. Le seul devoir, je pense, qui leur tiennent, ce sont des devoirs en réalité vis-à-vis des respects de certains textes dans leur pays d'accueil. Alors encore faut-il qu'ils soient acceptés dans ces pays-là pour pouvoir s'insérer et s'intégrer dans ces pays d'accueil. Donc parlons de la situation des migrants irréguliers. Je pense qu'aujourd'hui, la question telle que vous devez peut-être me la poser, c'est pas de connaître leurs devoirs, mais c'est de connaître comment faire aujourd'hui. Oui, mais il est clairement établi que quand un citoyen veut se déplacer, euh, de se munir euh, de certains papiers, tels que la carte d'identité nationale honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte africain, il est difficile de vouloir exiger de tous ces migrants-là ou même des candidats à la migration de certains, euh, le respect, j'allais dire, de, certaines formalités administratives pour la simple euh, raison que ces gens aujourd'hui en quête de survie, pour la plupart, viennent du milieu rural et souvent ne sont pas malheureusement munis de ces euh, papiers-là dont vous parlez. Docteur Amadou Adam Bachir, les autorités libyennes ont-elles les moyens pour garantir tous ces droits aux migrants en situation irrégulière pour la plupart Je pense pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord connaître le contexte de la Libye. Nous sommes dans un contexte conflictuel où le désordre aujourd'hui est patent à Libye. Euh, les autorités libyennes elles-mêmes admisent finalement qu'elles ne peuvent pas garantir, parce que l'effectivité, j'allais dire, elles n'ont pas recouvré euh, l'effectivité de leur souveraineté territoriale, puisqu'aujourd'hui, la Libye est en proie à une certaine situation conflictuelle où certains groupes, euh, beaucoup de groupes, j'allais dire plusieurs groupes, revendiquent l'autorité et la souveraineté de, cette, de cet espace-là. Donc finalement, les autorités ne peuvent pas garantir. Et je pense que dernièrement, j'ai pu, euh, à l'occasion effectivement d'une conférence qui a été organisée à Alternative, j'ai pu entendre le représentant de la Libye lui-même admettre que finalement les autorités libyennes ne peuvent pas garantir malheureusement la sécurité des migrants pour la simple raison qu'ils sont débordés par la situation conflictuelle de l'heure. Et donc il fallait d'abord trouver le moyen pour eux d'asseoir une certaine stabilité afin de garantir plus tard la sécurité de ces migrants-là. Et encore, c'est que ces migrants aujourd'hui, par les voies qu'ils empruntent, s'exposent eux-mêmes à un certain nombre de traitements en réalité, qui finalement leur dénie un certain nombre de droits les plus fondamentaux, les plus élémentaires. Donc, de ces faits, effectivement, la Libye aujourd'hui, je pense que n'est pas une terre du respect des droits. la fortune des droits fondamentaux en Libye n'est pas encore effective pour une raison simple, c'est que il faudrait d'abord que la Libye recouvre sa souveraineté. Il faut qu'elle puisse garantir la stabilité et donc il faut qu'elle puisse contrôler l'entièreté de son euh, territoire pour pouvoir plus tard, je pense, asseoir un certain nombre de de garantie de ces droits-là dont vous parlez. Hassan Boukara, pourquoi quitte-t-on son pays Merci Mokhtar pour cette question, mais elle est très large, cette question-là. Euh, les raisons pour lesquelles euh, les migrants sont appelés à quitter leur pays sont très variées. Le plus souvent, on parle de pauvreté, et une des raisons euh, qui donne euh, tout son sens à cette réponse, c'est qu'on voit souvent un mouvement des personnes des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. On voit des ressortissants d'Afrique subsaharienne aller vers euh, l'Europe. On voit des ressortissants de certains pays d'Amérique latine, comme la Colombie, comme le Mexique, le Nicaragua, aller vers les États-Unis. On le voit aussi en Asie du Sud-Est, autour des pays comme la Thaïlande, en tout cas de toutes les économies dominantes. Donc ça veut dire que le phénomène migratoire est mondial c'est un phénomène mondial qu'on voit dans toutes les régions. Ça prend des formes diverses selon les régions du monde, mais c'est avant tout un phénomène mondial. Et au sein des mêmes ensembles régionaux, on le voit. Par exemple, euh, beaucoup de ressortissants d'Afrique de l'Ouest vont vers la Côte d'Ivoire, qui est l'économie dominante en Afrique de l'Ouest. Euh, en Afrique australe, les gens vont vers l'Afrique du Sud. Donc, on pense le plus souvent qu'une des raisons, c'est la pauvreté. Mais vous avez aussi des mouvements qui sont liés à l'instabilité. Ça peut être lié à la guerre, à des conflits au sein des pays. Et ça pousse les gens à quitter leur pays et à aller vers d'autres horizons. Donc les raisons sont diverses, mais lorsqu'on cite ces raisons, souvent, il y a aussi des raisons individuelles. Je vais aller me réaliser et vivre en France. Je vais aller étudier en France et tenter ma chance. Vous avez par exemple des gens qui partent parce que leur pays ne leur offre pas des opportunités économiques. Vous avez des jeunes diplômés qui cessent sur le marché du travail. Lorsqu'ils n'ont pas la réponse à leurs attentes, ils vont ailleurs tenter leur chance. Donc, les raisons sont extrêmement variées selon les régions du monde. Euh, je peux aussi citer, par exemple, euh, de plus en plus les causes environnementales. Vous avez des régions du monde où l'environnement se dégrade et du fait justement de cette dégradation de l'environnement, vous avez des personnes qui quittent les zones les plus difficiles, les plus hostiles vers des zones beaucoup plus accueillantes. Donc les raisons divers selon les régions du monde et selon les contextes. Est-ce que ces raisons peuvent être solutionnées sur place dans leur pays de départ Ce serait l'idéal. Euh, je pense que pour les migrants aussi, hein. j'ai écouté Maître Bachir euh, évoquer justement les difficultés qu'ils rencontrent les migrants quand ils traversent la Libye ou d'autres pays. Donc ça veut dire que les conditions dans lesquelles les migrants quittent leur pays vont dans les pays d'accueil où les conditions dans lesquelles ils vivent dans les pays d'accueil sont des conditions extrêmement difficiles. Donc, s'ils avaient les réponses dans leur pays, si les problèmes auxquels ils font face peuvent trouver déjà des solutions, ce serait l'idéal. Ça leur éviterait de prendre la route et de vivre tout ce qu'ils vivent aujourd'hui sur le chemin de la migration. Mais c'est quoi ces problèmes Quand je parle de la pauvreté aujourd'hui, la question que vous me posez alors, est-ce qu'on peut régler la pauvreté au Niger Je ne sais pas. Chacun d'entre nous autour de cette table peut donner la réponse qu'il veut. Ça fait des années, 10, 15 ans peut-être, sous l'instigation du FMI, de la Banque mondiale, on s'est tous lancés dans des programmes de lutte contre la pauvreté. On peut faire les bilans et voir est-ce que on arrive à trouver la réponse à ces questions-là. Si vous parlez du changement climatique, des conséquences sur l'environnement, sur l'habitat humain, etc., etc., c'est des questions mondiales pour lesquelles les questions sont compliquées. Si vous parlez des questions de chômage en disant est-ce que les jeunes qui quittent leur pays pour aller ailleurs est-ce qu'on aurait pu rester chez eux et tout ça Je pense que c'est des choses que les jeunes font. Ils essaient de trouver la réponse. Le plus souvent, lorsque vous parlez avec les migrants, ils vous disent qu'il y a un désespoir de cause qu'ils partent. Aussi longtemps qu'ils gardent un peu d'espoir de trouver la réponse chez eux, souvent ils restent chez eux. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas du tout trouver les solutions. Ça renvoie pour moi à l'effort que les États doivent faire, puisque c'est quand même des engagements des États pour créer les meilleures conditions de vie, les meilleures conditions de développement dans les pays. Si les États arrivent effectivement à les faire, normalement, tous les gens qui prennent la route malgré eux ne prendrait pas la route. Mais nous, on pose aussi la question de la migration sous l'angle du droit, le droit à la libre circulation. Et donc, même s'il n'y a plus la pauvreté chez vous, même si vous avez l'emploi, vous pouvez avoir besoin d'aller en migration parce que vous voulez aller vivre ailleurs et tout ça. Et donc, c'est des choses euh, qui sont quand même reconnues comme des droits depuis euh, les droits d'aller et revenir. Donc pour moi, en fait, dans la façon dont on aborde la question de la migration, si on considère que les gens partent parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils n'ont pas les réponses aux problèmes qu'ils vivent chez eux, on peut se dire, en trouvant les réponses à ces problèmes, les gens peuvent rester chez eux. Mais nous, on s'est dit que les gens doivent aussi pouvoir voyager parce que le monde a été construit comme ça. L'humanité s'est faite grâce aux migrations, donc les gens doivent pouvoir voyager. Hassan Boukara, à raison de ses implications, la question migratoire fait l'objet de préoccupations à la fois de certaines organisations telles que l'Alternative Espace Citoyen et des autorités nigériennes. Quels sont les rôles et les responsabilités des acteurs étatiques dans la gestion de la migration des Nigériens en Libye La Libye, c'est vraiment un cas particulier. Euh, voilà un pays qui a presque cessé d'être un pays, puisque vous avez des factions rebelles, des groupes armés, chacun essaie d'avoir de l'autorité sur une portion du territoire, ceux qui se disent responsables de la Libye aujourd'hui n'arrivent même pas à assurer la sécurité de leurs propres concitoyens. Alors, dans ce contexte, lorsque les migrants se trouvent dans cet environnement, il est extrêmement difficile pour les migrants. Mais les migrants, il faut aussi les comprendre. Euh, ce n'est pas seulement que la Libye est un passage vers la Méditerranée, puisque certains de ces migrants qui sont en Libye, ils sont là de façon provisoire et cherchent à continuer leur chemin euh, en traversant la Méditerranée. Mais ce n'est pas donc simplement un chemin, c'est aussi un Eldorado qu'ils ont connu de par le passé. Jusqu'à un passé récent, la Libye accueillait 1 million 500 jusqu'à 2 millions d'immigrants. Ces chiffres ont été donnés, qu'ils soient des ressortissants de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb ou d'autres régions du monde. C'est quand même un pays où il faisait bon vivre pour les migrants. Beaucoup d'immigrants trouvaient leur compte. Ceux qui se sentent aujourd'hui obligés de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, il y en a beaucoup qui restaient pendant des années en Libye parce que ce qu'ils devaient chercher ailleurs, ils pouvaient déjà le trouver en Libye. Donc, malgré les conditions difficiles, les migrants ont du mal à faire le deuil de cette Libye-là qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, quelle est la responsabilité des différents acteurs aujourd'hui Les États ont une obligation de protéger les migrants. Pas seulement en Libye, si vous parlez de l'État du Niger. L'État du Niger doit commencer par protéger les migrants d'abord sur son territoire, puisque le Niger n'est pas encore la Libye. Il y a un État qui a une autorité normalement sur le territoire. Donc l'État doit pouvoir les protéger pour euh, toute la période de traversée, pour leur période de séjour sur le territoire euh, nigérien. Et il le fait parce qu'il s'est engagé à le faire à travers des textes de loi. Le Niger est quand même membre de la CDAO. Il a signé d'autres instruments juridiques qui font de la protection des migrants. Au vu de tous ces textes, le Niger a l'obligation de protéger les migrants. Euh, Hassan Boukara, quand l'État sait que le pays dans lequel les migrants s'aventurent à aller est un pays en situation difficile, est-ce que l'État ne peut pas les garder L'État doit les informer pour que les migrants fassent un choix éclairé. D'abord, l'État du Niger n'a pas les moyens de les garder. En 2016, on parlait de 100 000, 150 000 migrants qui traversent le Niger. Quelle est la capacité de l'État du Niger à les garder Et puis, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'informer les migrants pour que les migrants fassent un choix éclairé. C'est aussi le rôle de la société civile. Les migrants, c'est quand même des gens qui réfléchissent, ils sont bien informés, ils savent ce qu'ils font. La plupart des enquêtes qui ont été faites sur les migrants montrent que les migrants sont quand même informés de ce qu'ils font. Ils savent qu'il y a des risques. Parfois, ils considèrent que les conditions qu'ils vivent les obligent malgré tout à prendre ces risques-là. Donc le rôle d'un État, c'est d'abord de protéger. Si on est un pays voisin de la Libye, s'il y a des choses comme ce qu'on a vu euh, après un reportage de CNN, mais qui était bien connu euh, avant sur le traitement réservé aux migrants en Libye, le rôle de l'État, c'est d'informer, sensibiliser les migrants en leur disant, voilà les risques auxquels vous vous exposez si les migrants passent par la Libye simplement comme un passage, il y a d'autres passages, ce n'est pas le seul passage vers la Méditerranée. Donc, pour moi, il faut d'abord informer et il ne faut pas justement. Euh, c'est comme un prétexte, quoi, finalement, quelquefois, cette situation en Libye. On dit il faut leur empêcher d'aller mourir en Libye. Non, il faut les informer, il faut les sensibiliser. Comme ça, les migrants, au vu de la situation qu'il y a, ils ne prendraient pas ce chemin. Il y en a déjà qui ne passent pas par ce chemin. Ce n'est pas le seul chemin pour aller vers la, la Méditerranée. Il y en a qui passent par d'autres chemins. Donc, le rôle de l'État, à mon avis, c'est d'abord celui de protéger les migrants. Mais on sait que dans la réalité, l'État du Niger, il est loin de protéger protéger les migrants. Au contraire, il fragilise les migrants. Il les renvoie vers le groupe rebelles. Il les renvoie vers tous ces trafiquants qui se nourrissent de la chair des migrants parce que l'État, qui devait faciliter le mouvement des migrants, travaille à ça. Qu'est-ce que je veux dire Lorsque l'État criminalise la migration, vous faites allusion à la loi de voter en 2015 pas Il y a quand même une position officielle qui montre que dans ce pays, on criminalise les migrants. La loi, c'est l'instrument, c'est la couverture qui sert à poursuivre les migrants, etc. Mais la position officielle, ça montre aujourd'hui que nous nous sommes insérés dans un schéma global inspiré par l'Union européenne et d'autres pays d'accueil qui font qu'on empêche aux migrants de partir. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous faites Lorsque vous faites peur aux migrants, vous leur empêchez de circuler librement, y compris ceux de la CDAO qui ont quand même plus de droits euh, que d'autres parce que nous sommes un pays de la CDAO. Qu'est-ce que vous faites Eux aussi, ils prennent les périphéries des États ils vont là où l'État est moins présent. des voies de contournement. Des voies de contournement, là où l'État est moins présent, là où les forces de défense et de sécurité sont moins présentes. D'habitude, qui fréquente ces espaces Ce sont les trafiquants. Donc, vous jetez les migrants aussi sur ce chemin-là. L'État du Niger, par le type de politique qu'il a choisi aujourd'hui, pousse les migrants à aller vers ces périphéries-là. Et évidemment, ils sont là avec des trafiquants de tous les bords. Donc, l'État est loin de jouer son rôle de protection des migrants aujourd'hui. Au contraire, le type de politique dans lequel nous nous sommes inscrits depuis cinq ans fragilise les migrants. Mahamana Sanoussi, quelle est la situation des migrants nigériens en Libye au jour d'aujourd'hui euh, euh, Merci beaucoup, M. Mokhtar, de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec des camarades sur cette question de la gestion des migrations, particulièrement le cas des Africains en Libye. Comme ils l'ont souligné, la situation de migrants en général en Libye est caractérisée par la violation flagrante de leurs lois. Et ça, c'est du fait du contexte des guerres en Libye. Ils l'ont expliqué, et des politiques, la traduction systématique des politiques euh, migratoires des pays de l'Union européenne par nos États, c'est ce qui complique davantage la situation de migrants. Il y a aujourd'hui une situation alarmante particulièrement en ce qui concerne les Nigériens, parce que les Nigériens, c'est pas pour aller en Europe, c'est pour euh, rester en Libye, travailler. C'est des migrants saisonniers, ils gagnent leur vie et ils rentrent au pays. Mais malheureusement, ils sont pris au piège par la guerre, surtout ces derniers temps avec l'offensive du maréchal Haftar. On a enregistré des morts des Nigériens. Et ces Nigériens-là, comme d'autres Africains, ils sont sans protection, sans défense, parce que les représentations diplomatiques, l'État libyen, qui est dans une situation de faiblesse, parce qu'il n'y a pas en réalité en Libye un État. Il y a des groupes il y a les autorités de Tripoli, il y a l'armée libyenne, l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar. Ils font la guerre. Il y a aussi des groupes milices en Libye qui sont aussi euh, une sorte d'autorité selon les espaces. Dans le sud même, il y a beaucoup de secteurs qui sont contrôlés par des chefs de guerre c'est dans ce chaos que des Nigériens se trouvent qui pensent qu'ils sont là-bas pour travailler, pour gagner leur vie on enregistre des morts, des blessés. Les chiffres sont très alarmants. Et comme ils l'ont souligné, ni l'État libyen, ni les représentations diplomatiques, moins les organisations internationales ou même les systèmes des Nations Unies, personne à la date d'aujourd'hui ne fait quelque chose de consistant pour assurer la protection des ressortissants africains qui se trouve en Libye. Lors de, la dernière conférence organisée à Alternative, un membre du Haut Conseil de nigérien en Libye a un peu brossé la situation. La représentation diplomatique du Niger, il faut le euh, dire. Maman Sanoussi, malgré toutes ces conditions difficiles, les gens quittent quand même en direction de ce pays-là. Est-ce que c'est la sensibilisation qui manque comme ils l'ont souligné, euh, la migration euh, est un phénomène aujourd'hui mondial. C'est un droit naturel. La vie n'aura aucun sens si les gens sont immobilisés, personne ne bouge, quelle qu'en soit la situation. Et comme il a donné les raisons, Mais les gens... Il y a d'autres pays d'accueil. Vont aller vers eh, la Libye. Par exemple, c'est de la proximité. Il y a la tradition de migration. Quand vous prenez la région d'Agadez, les Nigériens qui partent en migration, ils ne connaissent que la Libye et l'Algérie. Donc euh, cette culture et cette tradition de migration fait en sorte que c'est devenu un réflexe. Les gens partent en Libye, ils partent, ils reviennent et il y a aussi des raisons historiques. Si vous prenez la mobilité transfrontalière entre le triangle Niger, Tchad, Libye, il y a des communautés qui se retrouvent de part et d'autre. Vous prenez le cas de Toubou toute la zone du sud, Mourzouk, c'est principalement la, communauté Toubou qui y réside là-bas, ce qui fait que les Nigériens, les Tchadiens, ils ont des réflexes pour aller vers euh, ces zones-là. Mais ce qui est important, il faut le rappeler, la situation en Libye, c'est une situation qui a été créée sciemment en 2011 et qui est en train d'être entretenue nous, à notre avis, c'est une nouvelle stratégie de lutter contre le flux migratoire, de contenir le flux migratoire. Ils ont créé un chaos, un vide au niveau de la Libye et ils regardent la Libye s'enfoncer, parlant, je parle de la communauté internationale, foncée dans le chaos. Le nombre de morts au niveau de la Méditerranée, au niveau de la Libye, si vous constatez, c'est principalement au niveau des villes côtières, donc les lieux d'embarquement. Et aujourd'hui, euh, la communauté internationale, certains pays de l'Union européenne, ils soutiennent le maréchal Haftar dans ses, offensives. Il y a des rapports que ce soit du représentant des Nations Unies ou de l'Union africaine, de certains pays de l'Union européenne, il y a des rapports alarmants. Mais force est de constater que rien n'est fait. Rien n'est fait et aujourd'hui, on ne parle pas de certaines euh, violations mineures des droits humains, telles que euh, des coups et blessures, telles que euh, l'emprisonnement, la torture. Aujourd'hui, c'est la vie humaine qui est menacée en Libye. Maman euh, Mamana Sanoussi, peut-on parler d'atteinte aux droits humains des étrangers en Libye à l'état actuel des choses Exactement, c'est même ça la règle. Tous les droits sont bafoués. Et il faut le rappeler que la Libye, même au temps du guide libyen, colonel Kadhafi, et qu'après aussi, c'est pas un pays qui a la notion de droits humains. Les droits les plus élémentaires sont euh, violés. Et ce qui aggrave aujourd'hui la violation des droits humains, c'est la guerre. Et la guerre, moi, je suis très clair là-dessus. C'est les Occidentaux qui sont derrière ça. Il y a des pays qui soutiennent des Haftar. C'est officiel, il soutient Haftar. Il s'aligne derrière Haftar. Il y a d'autres pays qui soutiennent les gouvernements de Tripoli, une sorte de politique de diviser pour mieux régner. Mais leur intérêt, c'est quoi La situation de chaos en Libye contribue à l'atteinte aux droits des migrants. Tuer le migrant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Méditerranée qui tue. Comme ils ont observé des migrants mourir au niveau de la Méditerranée, ils ont créé le chaos, ils l'entretiennent et ils observent ils regardent, ils sont en train de contempler des morts au niveau de la Libye sans apporter une assistance qui peut permettre de contrecarrer ce qui se passe à Libye. On a vu en son temps, en 2011, quand ils ont décidé d'intervenir, c'est au nom de la lutte contre la dictature pour promouvoir les libertés que l'OTAN euh, s'est mobilisée avec toutes les armes possibles pour intervenir en Libye. Et aujourd'hui, qu'on observe des morts, rien que sur la Méditerranée, il y a plus de 16 000 morts. Au niveau de la Libye, par rapport à la guerre aujourd'hui, il y a plus de 500 morts les blessés, personne ne peut même vous donner les chiffres exacts, que ce soit des morts ou des blessés. Maman aussi le Niger peut-il contrôler les passeurs le Niger ne peut rien contrôler. Le Niger a été utilisé parce que moi j'ai toujours dit comment un État comme le Niger qui a signé au niveau de la CDAO, qui est signateur de l'accord de libre circulation, va se permettre de prendre une telle loi. Je parle de la loi 2015-036 portant interdiction de trafic illicite des migrants. Depuis l'adoption de cette loi, l'État donne des chiffres pour dire que le flux migratoire a été considérablement réduit. Mais on sait que l'État n'a pas les statistiques parce que les migrants ne passent pas, comme ils l'ont dit, par des voies officielles. L'État les a exposés. Pas seulement les trafiquants, ils prennent des migrants, ils les torturent, ils prennent la rançon, mais le désert est un espace immense. Le fait de contourner les migrants, ils s'égarent. Et aujourd'hui, quand vous prenez la région d'Agadez, il y a seulement euh, l'OIM qui fait une mission de recherche des migrants égarés ou abandonnés avec des moyens très limités qui ne permet pas de couvrir les territoires. Et nous savons très bien qu'au vu des nombres de morts découverts dans les déserts depuis l'adoption de cette loi, donc à partir de 2015, 2016, 2017, 2018, on a retrouvé beaucoup de migrants morts dans les déserts. Et ça, c'est du fait que l'État a adopté cette loi euh, a organisé depuis une chasse aux sorcières des migrants. Nous, ce qu'on dit, le transport est une activité licite. Et on ne comprend pas, par exemple, l'État, si ce n'est pas sous pression de l'Union européenne, comment une loi portant interdiction de trafic illicite de migrants peut être plus sévère que la loi sur la traite des personnes. Où tout le monde sait que la traite, il y a de l'exploitation. Mais la migration, les migrants, ils consentent. C'est un contrat de transport qui les lie avec les propriétaires de véhicules qui les prennent ou le passeur. Maman Sanoussi, la ville d'Agadez est devenue depuis euh, les années 90 un carrefour migratoire pour les subsahariens en partance vers le Maghreb. Est-ce une opportunité ou une source de problèmes pour la région De façon globale, les migrations sont des opportunités. Et tout le monde sait que depuis la nuit des temps, la ville d'Agadez, l'économie d'Agadez repose sur la migration. Et depuis l'adoption de cette loi, Agadez ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. L'économie est à terre. Tous les acteurs de l'économie migratoire sont au chômage. C'est des familles qui sont concernées. Et les actions de reconversion nous le savons très bien que c'est des actions qui ne peuvent pas porter parce que le manque à gagner est énorme pour la région le Conseil régional d'Agadez a fait une déclaration. Agadez gagnait avec euh, le flux migratoire environ 60 milliards par an. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne dans l'interdiction de la migration Ça, c'est l'État au niveau central qui s'est engagé et avec euh, les deals qui les lient avec l'Union européenne, mais nous, en tant que communauté, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons que c'est une violation des droits humains et des libertés, parce qu'on ne peut pas empêcher un être humain de se déplacer. Il ne faut même pas évoquer les raisons économiques. Et ce qui frustre aujourd'hui les gens, Africains migrants. On a eu l'occasion d'échanger avec eux à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y a pas la réciprocité. La réciprocité, c'est-à-dire Les Européens, ils sont libres de circuler en Afrique, mais le, le contraire n'est pas permis. Il y a des bases militaires partout au Niger. Il y a des ressortissants de l'Union européenne dans les villes et les campagnes au Niger. Mais les Nigériens, les autres Africains, ils n'ont pas ces droits. C'est pour une question de justice, c'est pour une question du droit que nous pensons que on ne peut pas restreindre le déplacement de personnes, on ne peut pas interdire la migration, ce n'est pas un péché. Et après trois ans, aujourd'hui quatre ans, de la mise en œuvre de cette loi qui est de notre point de vue une loi anticonstitutionnelle, la loi 2015-036, l'État doit faire une évaluation et les acteurs de la société civile qui interviennent dans la gestion de la migration doivent aller vers une évaluation de la mise en œuvre de cette loi pour au finish que cette loi soit révisée. Docteur Amadou Adamou l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, elle seule peut-elle relever les défis migratoires au Niger Bien sûr que non. L'OIM, je pense que c'est, vous l'avez dit, l'Organisation internationale de la migration. Alors pour parler de, euh, des défis de la migration, les défis migratoires, je pense, se posent, sont multiformes déjà. Et il n'appartient pas seulement à l'organisation en charge justement de la migration de pouvoir relever ces défis-là. Parce que pour une raison, c'est que l'OIM dispose d'un programme. C'est le programme de pouvoir assister les États, les gouvernements dans les politiques qu'ils mettent en œuvre justement de la gestion des flux migratoires. Mais le problème dans tout cela, c'est que l'OIM, tout à l'heure, mon prédécesseur parlait donc euh, de la politique dans laquelle j'allais dire le Niger s'est inscrit. Il se trouve que dans la gestion des flux migratoires, des flux migratoires la recette qui est proposée par les États aujourd'hui, elle s'est avérée parfois infructueuse. Pour une raison inefficace, inefficace bien entendu, parce que eh, les États tendent véritablement vers la sécurisation des frontières, le renforcement de la sécurité aux frontières. Et souvent, l'OIM assiste les États dans le cadre de la politique mise en œuvre par l'Organisation mondiale, qui est la politique des retours volontaires. Donc, c'est dire que le migrant a déjà vécu certaines formes d'atteinte. Donc là, ce sont des politiques de prévention qui ne sont pas à elles seules efficaces, parce que finalement, ces politiques-là ne permettent permettent pas, en réalité, d'envisager une prévention des risques d'atteinte aux droits fondamentaux de, ces migrants-là. C'est dire que les droits fondamentaux des migrants ont été déjà atteints. Donc, si vous voulez, il y a véritablement une politique qui a été définie, mais qui n'entre pas dans la protection véritable du migrant. Puisque la sécurisation des frontières n'empêche aujourd'hui, on le voit, n'empêche pas finalement le flux migratoire. L'Europe aujourd'hui s'est rendue effectivement compte que la sécurisation, vous avez vu quand même la barricade. Donc, selon vous, on doit arrêter pour faire une évaluation de, cette loi 2015 non, mais l'évaluation, je pense qu'à l'épreuve de la pratique est déjà faite. Hein. L'évaluation à l'épreuve de la pratique est déjà faite puisque les résultats escomptés ne suivent pas. Et pourquoi Parce que d'abord, la politique des États consiste simplement à, la sécurisation de leurs frontières et non à la prise en compte véritable des préoccupations des migrants. Donc, ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, quand vous prenez le cas par exemple, du Niger. On parlait tout à l'heure du protocole de la CDAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. bien. C'est un protocole qui date euh, de 1979. Donc, ce protocole, en réalité, si vous voulez, c'est l'effectivité de ce protocole qui devait permettre l'atteinte de l'objectif communautaire, l'intégration réelle, de la, euh, effective, j'allais dire, de la communauté. Et pourtant, aujourd'hui, cela n'a pas empêché l'Union européenne de mettre en place une politique qui, finalement, cette politique a eu des implications réelles sur ce protocole protocole-là. Puisqu'en fin de compte, le protocole a été écarté au profit d'une loi qui n'est pas véritablement conforme à ce protocole. Vous savez, le droit communautaire, c'est euh, le droit primaire de la CDAO. Ce droit communautaire-là, c'est le droit primaire qui devait s'appliquer en droit interne. C'est dire que oh, ce n'est pas un traité. À partir du moment où le Niger a accepté de faire partie, d'être membre à part entière de la CDAO, c'est que le Niger renonce implicitement à une part de, sa souveraineté, notamment dans le domaine législatif. De sorte que si un protocole de la CDAO, qui est le droit primaire euh, de l'État, venait à être pris, ce protocole-là entre directement en œuvre sans qu'il y ait besoin de ratification ou quoi que ce soit. Donc le protocole de la CDAO, ici, lorsque cette loi n'est pas conforme, le juge est tenu d'écarter l'application de la loi pour appliquer le protocole. En soi que le protocole est beaucoup plus humaniste, il prend beaucoup plus en compte la liberté naturelle justement des citoyens communautaires. Et c'est de ça qu'on parle. La citoyenneté communautaire consiste effectivement à donner le droit à tout citoyen de la communauté, donc des 15 États membres de la CDAO, de pouvoir librement circuler qu'il est d'avoir au Niger. Donc vous voyez, finalement, c'est l'État, par exemple, euh, le Niger en tant que pays euh, de transit porte parfois pas ses actions législatives et parfois par ses politiques directement atteintes à certains droits qu'il a pourtant consacrés, donc le droit à la libre circulation. De par cette loi-là, effectivement, il y a une atteinte véritable de ces droits. Et maintenant, il appartient, par exemple, aux acteurs de la société. Malheureusement, je pense que pour l'instant, je ne crois pas que dans notre législation interne, la société civile a la possibilité, au nom justement des citoyens qu'elle défend, elle n'a pas cette possibilité de porter directement une affaire devant les juridictions. Et si cette possibilité venait à être offerte euh, à la société civile, je pense que nos juges auront bien la possibilité de pouvoir se prononcer sur ces questions-là. Parce que quand on consacre une loi, un texte de loi, et ce texte de loi ne fait pas malheureusement l'objet d'une appréciation du juge, et c'est l'occasion, euh, parce que l'occasion ne s'y prête pas, et malheureusement, on n'arrive pas à rendre effective finalement la loi. Et c'est dans ce cadre que je pense que si on regarde un peu le cheminement des acteurs, on pense que l'OIM à elle seule ne fait que assister les États. Et dans cette assistance-là, on a parlé de la peur de l'invasion. Euh, la peur de l'invasion aujourd'hui a conduit les États européens à mettre en place des politiques qu'ils soutiennent. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, l'Italie, par exemple, a officiellement signé un accord bilatéral avec la Libye, notamment les gardes-côtes libyens, leur permettant de les financer pour pouvoir leur donner plus de moyens pour limiter cette, cette migration-là. Donc finalement, il faut se poser la question. Et c'est, je pense que là que le problème, tout le problème se pose. Faut-il finalement limiter la migration ou bien créer les conditions pour peut-être empêcher de manière euh, naturelle cette migration-là. Tout à l'heure, mon prédécesseur parlait de la question des causes de cette migration-là. Mais il faut identifier toutes les causes euh, et encore donner des réponses à ces causes-là pour permettre d'empêcher de... Parce que la plupart, c'est une migration économique, c'est une migration politique. Et finalement, je puis comprendre qu'aujourd'hui, si on devait situer certaines responsabilités, on comprend que les États d'accueil souvent prennent des dispositions textuelles qui sont beaucoup plus sévères vis-à-vis des migrants pour une raison simple parce que ce sont des dispositions textuelles qui sont à visée politique, à visée économique, ou bien parfois c'est euh, justement parce que l'État d'origine a aussi à gagner quand ces migrations-là sont... Euh, aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple de la diaspora malienne ou bien de la diaspora sénégalaise, des rapports l'ont prouvé, ces, ces diasporas-là participent à hauteur de 15 à 20 du PIB national. Beaucoup plus que l'aide publique au développement. Exactement. Donc il y a un intérêt pour l'État d'origine de voir ces ressortissants effectivement dans cette migration-là. Mais est-ce que c'est le cas de l'État d'accueil Peut-être pas. Donc, il appartient finalement à l'État d'origine de pouvoir faire le plaidoyer ou mettre à, les moyens nécessaires pour pouvoir permettre cette migration pour pouvoir secriser euh, euh, les ressortissants. Et je sais que l'OIM, par exemple, aujourd'hui, dans le contexte particulier de la Libye, a parlé d'un programme en accord avec les autorités libyennes de définition. Ils veulent définir, je pense, un programme de définition du régime de travail des migrants à Libye. Parce qu'effectivement, le cas de la Libye est un cas assez particulier. Le contexte euh, n'est pas favorable finalement au développement de ces droits-là. Le contexte n'est pas favorable au respect des droits fondamentaux. Le contexte n'est pas favorable au respect du migrant tout court. Donc finalement, avec peut-être la définition d'un régime juridique du migrant et du travailleur migrant, peut-être qu'on pourrait tendre vers ce que cette euh, recherche de solutions qui consiste à créer le cadre du respect justement de ces droits humains. Hassan Boukar, les acteurs internationaux ont-ils des responsabilités dans les atteintes des droits des migrants en Libye est-ce qu'ils ont des responsabilités. Je pense que leur rôle, euh, ces acteurs internationaux, si on, vient de parler du cas de l'OIM, peut-être le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui sont très actifs ces derniers temps. Il y a l'Union européenne. Bon, l'Union européenne, si vous voulez. Alors, j'ai fait la différence avec euh, l'Union européenne euh, et les institutions des Nations unies, par exemple. Les institutions des Nations unies essaient quand même de travailler sur la dimension droit, euh, avec des approches différentes selon les institutions. Le HCR, qui travaille d'habitude sur les réfugiés, on l'a vu très, très mobilisé ces dernières années, en faisant sortir justement des migrants ou des demandeurs d'asile de la Libye vers le Niger. Ils ont quand même beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Mais l'Union européenne, moi je vois l'Union européenne surtout comme une zone d'accueil, comme euh, un espace euh, vers lequel les migrants s'adressent et euh, face auquel nous avons eu beaucoup de critiques ces dernières années hein, parce que les politiques appliquées déjà au sein de l'Union européenne en ce qui concerne l'accueil des migrants, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a déjà beaucoup d'atteintes aux droits humains sur le territoire de l'Union européenne et de par sa position dominante, l'Union européenne a eu quand même à influencer les politiques des pays comme les nôtres c'est ce que nous disons depuis le début de cette émission, le fait que l'Union européenne exporte des politiques qu'elle a eu à appliquer sur son territoire vers des pays fragiles, économiquement dépendants de l'Union européenne, a fait qu'aujourd'hui, au Niger, euh, on se retrouve euh, dans un contexte de CDAO où, à partir de la ville d'Agadez, on ne pouvons plus aller plus loin. Donc, je fais la différence, si vous voulez. Je considère que l'Union européenne a beaucoup contribué aujourd'hui à la violation des droits des migrants dans les pays de transit. Euh, si je prends le cas de, on parle beaucoup de la Libye, mais il n'y a pas que la Libye. Euh, regardez la Tunisie, récemment, de nombreux migrants ivoiriens ont été refoulés vers le désert, vers la frontière avec la Libye, à partir de la Tunisie. Donc, ça montre que non seulement il y a la Libye, il y a la Tunisie, au Maroc aussi, hein, il y a des moments où les migrants qui sont le long de la côte méditerranéenne sont refoulés vers le désert parce qu'on veut qu'ils soient loin des zones où ils peuvent prendre des pirogues et traverser la Méditerranée. Donc, je pense que les politiques de l'Union européenne ont inspiré des pratiques administratives, des politiques dans les pays de transit qui sont dépendants de l'Union européenne. Maintenant, les institutions. que la loi 2015 Oui, cette loi, je pense qu'elle est prise uniquement pour les Européens euh, elle est prise parce que le Niger a besoin des appuis budgétaires de l'Union européenne. La preuve, le premier bilan de cette loi a été fait en Europe. Euh, le Niger a fait le premier bilan à partir de 2017, euh, début 2018, je crois, pour dire aux Européens la politique qu'on applique, ça marche. On est passé d'à peu près 60-70 000 migrants quasiment par mois ou par trimestre en 2016. En fin 2017, on est arrivé à à peine 11 000 migrants c'était le bilan, mais ça a été fait en Europe parce que c'est de l'Union européenne que les félicitations sont arrivées. Donc ce bilan est fait pour les Européens pour leur dire nous faisons le travail. Donc cette loi 2015-036, euh, mais aussi le positionnement politique du Niger aujourd'hui sur la question de la migration, c'est un positionnement qui cherche à satisfaire l'Union européenne. Le Niger est indépendant, c'est notre premier partenaire économique. Et donc, le Niger a besoin d'aide dans les grâces de l'Union européenne. C'est pour ça que nous appliquons cette politique-là. Donc, je pense que cette politique de l'Union européenne en tant que pays dominant a influencé de la même façon qu'aujourd'hui, la politique des États-Unis influence le Mexique. On demande au Mexique de fournir des efforts sur les zones frontalières pour que les migrants des autres pays d'Amérique latine qui essaient de traverser ne puissent pas aller. Donc ces pays ont, de par leur position, un rôle dominant et ils influencent aussi la législation dans les pays de transit et de départ. Maintenant, les, les autres institutions, l'OIM, qui est très présente ces dernières années, on l'a vu surtout lors de la crise en Libye, elle a beaucoup joué le rôle de transport un moment, nous, on était aussi très critiques hein, vis-à-vis de l'OIM. Quelque part, on a l'impression qu'ils sont un peu comme les sapeurs-pompiers du système. C'est-à-dire le rôle de l'OIM qui consiste à évacuer les migrants de certains pays euh, à travers leur politique de retour vers les pays, etc. etc. C'est comme si ça aide le système. Parce que le système, euh, je pense que Maître Bachir a parlé d'invasion. Les pays de l'Union européenne ont l'impression qu'ils sont envahis par les gens qui arrivent. C'est comme un peu cette mise en scène qu'on a vue après la diffusion de ce reportage des CNN à Libye, où finalement on demandait à tous les pays d'évacuer les ressortissants, etc. On mettait en scène cette question d'esclavage, de traitement des migrants qui a existé déjà pendant longtemps, mais l'enjeu pour les Européens, c'est que tous les migrants qui sont déjà en Libye sont des candidats potentiels vers l'Europe, et donc si on a l'occasion de les rapatrier vers leur pays, ça fait un peu ce qu'ils attendent, ça fait un peu des choses qui les arrangent. Donc pour moi, chaque acteur a un rôle, et les institutions des Nations Unies, à mon avis, elles jouent gros aussi, elles jouent un peu leur crédibilité dans cette période-là, parce que les pays d'accueil, qui sont aussi des pays dominants, ont tendance aujourd'hui à dicter les règles et l'approche droit qui est celui que les nations, des Nations Unies doivent avoir. Il faut que cette approche droit-là puisse rester. Le droit à la libre circulation, le droit à la sécurité pour les migrants, puisqu'il y a quand même une convention des Nations Unies pour protège les migrants. Donc, à mon avis, chaque acteur doit jouer son rôle, mais n'oublions pas que le jour où les migrants prennent la route, ils ne perdent pas ce droit. La gestion des flux migratoires pose un problème au Niger. C'est l'un des défis auxquels le pays est confronté ces dernières années. À raison donc de ces implications diverses, notamment en termes des droits humains, l'État nigérien est appelé à développer une gestion migratoire fondée sur euh, ses engagements juridiques internationaux et communautaires. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Dr Amadou Adamou avocat au barreau de Montpellier en France, Hassan Boukar euh, de l'association alternative Espace Citoyen et Mohamed Sanoussi, activiste. Merci Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.